le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Nous sommes mercredi 25 janvier 2017 18h15 partout au Niger et dans le studio Kalangou. Le programme se poursuit, restez avec nous. Le forum de studio Kalangou, c'est tous les soirs du lundi au vendredi. Espace qui traite de sujets brûlants de l'actualité. Diallo Maria Makenda avec vous pour ces 45 minutes à venir. Il y a de cela un mois, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyassou Idi Mainasara, est intervenu à la télévision nationale Télé Sahel pour par rapport au déploiement des médecins, surtout des généralistes et spécialistes à l'intérieur du pays. Cette décision du ministre met-elle en évidence la faible couverture sanitaire au Niger Peut-on parler de l'inégalité de répartition d'une région à une autre Quel est l'état des lieux en ce qui concerne la présence des médecins spécialistes dans les différentes régions Nous en parlons tout de suite avec nos différents correspondants. La page culturelle fait aussi partie de cette émission. Le FESPACO se tiendra du 25 février février, du 25 février au 4 mars à Ouagadougou. Et en ce qui concerne le Niger, cinq films nigériens ont été retenus, dont trois pour la compétition pour la catégorie documentaire et série télévisuelle. Hors compétition, nous avons 34 films, parmi lesquels Cerveau noir d'Abdoulaye Dingare Maïga et Le Pagne de Amadou Djingare qui prétendent aux prix spéciaux, nous découvrirons le sentiment de Abdoulaye Djingare Maiga, un grand cinéaste nigérien. Mesdames, bonsoir et bienvenue par rapport au redéploiement des médecins, surtout des généralistes et spécialistes à l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Mainassara, a fait une sortie médiatique il y a de cela un mois. C'était lors d'une interview qu'il a accordée à la télévision nationale Télé Sahel. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Mainassara. Vous savez, de 2011 à aujourd'hui, le président de la République, à travers le gouvernement, avait engagé le recrutement des agents de santé. Et quand vous prenez en 2010, 2009-2010, les médecins ne sont qu'au nombre de 350. En six ans, le chiffre a triplé, puisque on a passé de 350 médecins à 1124 médecins à la fonction publique. Et le total aujourd'hui, de façon générale, toutes catégories confondues, que ce soit infirmiers, médecins ou sages-femmes, on a passé un peu plus de 4 000 aujourd'hui à 8 525 agents de santé. Mais le constat amer qui se dégage, la plupart de ces agents de santé sont en milieu urbain. Quand vous prenez le cas précis de Niamey, pratiquement tous les spécialistes sont à Niamey. Or, ce n'est pas que Niamey qui a besoin de ces agents de santé. Le chef de l'État ne les a pas recrutés pour seulement servir la population de Niamey, mais c'est pour servir toute la région du Niger, les huit régions du Niger. Et quand tu vois, il y a des régions où tu as un médecin pour plus de 600 000 habitants, ou un médecin pour plus de 700 000 habitants. Or, à Niamey, quand tu vois le ratio, quand on le fait de façon élargie, c'est un médecin pour un peu plus de 10 000 habitants. Quand tu vois donc la différence avec le milieu rural, c'est vraiment considérable. Or, le ministère de la Santé publique a ce qu'on appelle un plan de gestion et de développement des ressources humaines. Aujourd'hui, ce sont ces réformes et dont nos procès, euh, ceux qui m'ont précédé ont commencé à mettre en œuvre. C'est cette mise en œuvre aujourd'hui qu'on continue. Qu'on continue sans délation, sans discrimination, en respectant les textes. Et c'est ce qui nous a amené et à l'espace d'un mois, nous avons redéployé 251 agents à l'intérieur du pays. On a commencé avec la région de Difa. Quand on était arrivé, la région de Difa n'a qu'un seul gynécologue au niveau du centre de C'est lui seul qui garde, c'est lui seul qui assure les césariens. Alors ici à Niamey, nous avons 52 gynécologues. 52 gynécologues qui sont entassés à Niamey nous avons mis en place un comité. Ce n'est pas des affectations qu'on a fait comme ça de façon irréfléchie. C'est un comité qui a été mis en place. Et ce comité, ces affectations d'abord ont consisté à faire la situation de toutes les femmes mariées Donne les maris sont à l'intérieur. Des fois, mariées, les maris sont à l'intérieur, mais qui veulent rester à Niani. On a pris toutes ces femmes. Le cas le plus récent, c'est une gynécologue donne le mari à Agadez. Mais pourquoi elle ne suit pas son mari Si réellement on veut garder l'équilibre familial, on a fait ce recensement. Toute femme donnent le mari à l'intérieur, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a fait des communiqués invitant toutes les femmes agents de santé, qu'elles soient sages-femmes ou infirmières, de se faire enregistrer au niveau de la direction générale des ressources humaines et en enregistrant la situation matrimoniale. Cela nous a permis de détecter plus de 60 femmes euh, divorcées et célibataires. On les a fait redéployer à l'intérieur. On a continué. Toutes celles qui sont venues des écoles de formation sanitaire, on a recensé toutes celles qui ne sont pas mariées ou toutes celles qui sont divorcées, on les a redéployées à l'intérieur. Par rapport aux hommes, le problème ne s'est pas posé. Dès qu'ils sortent de l'école, ou s'il y a un pléthore au niveau d'un centre, parce qu'on a le système de navette au niveau de tous les dessins, on a réactivé ce système de navette et cela nous a permis d'identifier partout où il y a un pléthore, on le prend, on l'envoie à l'intérieur en fonction des besoins. Et c'est ce qui nous a amené en une semaine, on a redéployé 30 agents dans la région de Difa, 10 médecins, 20 infirmiers et sages-femmes. Et même cette semaine, on a redéployé au moins une dizaine d'agents dans la région de Difa. Parce que on, a, vu, monsieur le ministre, que les communiqués sont en train de se poursuivre. Est-ce qu'il y a des réticences quelque part Oui, parce que quand tu prends sur les 251 aujourd'hui qui ont été, les 57 qui ont été affectés, nous avons 218 qui ont regagné leur service. Il y a des petites réticences, une trentaine, mais on est en train de prendre des dispositions. Et c'est pour ça que chaque affectation, on l'a fait communiquer à la télé, à la radio, pour que la personne, pour que la notification arrive à, l'agent qui a été affecté. Et cela a été fait sans aucune discrimination. Et nous avons eu affaire de communication envers les syndicats, envers la société civile, pour leur faire comprendre que la nécessité, si on veut améliorer la qualité des soins, la nécessité, si on veut rendre service à ce pays, la nécessité, si on veut faire en sorte qu'on ait des soins de qualité, il faut qu'on ait un juste équilibre. Et l'objectif, c'était quoi C'est au moins parmi les 100% des agents de santé qu'on ait au moins 50% qu'on arrive à redéployer dans les huit régions. Même si les 50% restent si on arrive à redéployer au moins 50% de tous ces agents qui ont été recrutés entre 2011 et, à cette période, je pense qu'on va réduire les écarts et on va faire fonctionner les centres. Le deuxième aspect important, c'est par rapport aux spécialistes. Quand vous prenez à je l'ai dit, il y avait eu qu'un seul spécialiste. À Agadez, deux gynécologues qui prennent la garde matin et soir. Alors que les gens sont tapis à Niani et ils sont presque dans les cliniques. Or, le ne peut pas recruter un agent, lui faire un salaire et il se retrouve dans une clinique en train de servir la clinique on a mis en place un comité qui est composé également de gynécologues et cela nous a permis à redéployer en deux semaines 9 plus 12, 21 jours. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui au niveau de chaque centre mère-enfant de la région, de toutes les régions du Niger, avoir mhm. au moins 5 gynécologues qui peuvent assurer la garde sur plus. Avant, comment ils faisaient la garde quand c'est un ou deux gynécologues, la personne est à la maison, quand il y a une urgence, on l'appelle. Et s'il y a un embouteillage dans les grandes villes, et s'il y a un accident, ça veut dire que cette femme-là, qui est venue pour une urgence, elle risque de perdre sa vie. Mais pourquoi on ne peut pas créer des conditions pour que ces agents-là puissent prendre la garde à partir du moment où cette garde est payée L'État paye la garde. Il faut que cette garde soit assurée. Et c'est ce qui nous a amené à affecter dans toutes ces régions au moins 5 gynécologues. Aujourd'hui, il n'y a pas un centre mère et enfant qui n'a pas au moins 5 gynécologues. Le ministre de la Santé, Dr Gilyassou Meinassara, invité du journal de la télévision nationale Télé Sahel il y a de cela un mois. Pour rappel, les médecins spécialistes du Niger observent depuis lundi 23 janvier 2017 une grève de cinq jours sur toute l'étendue du territoire. Selon le secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes, MEF, Dr Kungizé Zubairou, les médecins demandent toujours la satisfaction de leurs revendications qui sont entre autres le rétablissement de l'équipe en reconnaissant aux médecins spécialistes nigériens leurs droits correspondant aux années de spécialisation 4 à 5 ans qu'ils ont dû suivre après le doctorat. À noter que c'est une grève avec service minimum. Direction tout de suite Maradi, le redéploiement des agents de santé annoncé par le ministère de la Santé publique est en train de s'opérer à Maradi selon le directeur régional de la santé publique. Il enregistre depuis quelques jours l'arrivée de ces agents de santé, une bonne chose pour docteur Kalaidi parce que la qualité des prestations sera rehaussée dans les centres de santé de Maradi. Docteur Kallaidi, directeur régional de la santé publique de Maradi, au micro de Mohamed Maman, nos correspondants, notre correspondant à Maradi. Oui, merci. Si je prends le seul exemple du centre mère-enfant, qui avait dans les temps deux gynécologues, maintenant on est à sept gynécologues. Et je pense que déjà c'est un exemple patent et pour la belle information, déjà ils ont commencé. S'ils ne l'ont pas déjà euh, fait, parce que je viens de revenir, je ne suis pas sur place, mais il était question qu'ils fassent des gardes même sur place. Euh, cela veut dire qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher ou bien de perdre du temps en train d'attendre le médecin qui est chez lui. Euh, dorénavant, avec le nombre, ils vont faire assurer les, les gardes et les permanents sur place. Ça, c'est déjà une grande avancée. Nous pensons que ça va améliorer énormément la qualité de nos prestations et ça va soulager aussi euh, beaucoup euh, les malades et même les agents qui sont euh, deux fois laissés avec des, pathologies peut-être dont ils ne sont pas préparés à prendre en charge ne serait les premières les premiers soins. Bref, ça va, je pense, améliorer énormément euh, la qualité de service. Ceci étant, euh, il n'y a pas que le, centre mère-enfant. Nous avons euh, récemment envoyé des sages-femmes à Dakoro, à Meyi, à Tessawa, à Madarumfa, à un peu partout, bref, pour vous dire que les agents sont effectivement en train de venir, ils sont en train, en tout cas, de regagner leur poste. Le seul, euh, peut-être qui n'a pas encore reçu beaucoup euh, d'agents, c'est le centre hospitalier régional de Maradi. Lui aussi, on a du, personnel, on est en train de voir comment aussi là, on va assurer les gardes sur place. Là, mais à ce niveau, il nous faut quelques réglages. Déjà, euh, pour la médecine, on a jusqu'à trois internistes. Euh, on a aussi jusqu'à quatre médecins généralistes. On veut en tout cas qu'il y ait des gardes assurés à nous de voir comment on va s'organiser pour que en tout cas chacun puisse euh, jouer pleinement son rôle. Et des fois, vous savez, c'est pas aussi simple que ça. Il faut discuter avec les concernés, voir quelle est la meilleure option qui, convient à tout le monde. Et en premier lieu, en pensant aux malades d'abord, qu'est-ce qui va améliorer euh, en tout cas la qualité de nos services, euh, qu'est-ce qui va soulager les malades. Là, on est en train de, de, discuter euh, de ça. Par rapport aux autres spécialités, nous déplorons d'avoir le départ des Chinois. Euh, ça, c'est un vide qu'ils ont créé, des sauf peut-être euh, le dernier virement au niveau central, mais sinon, euh, avec l'hôpital général, ils vont tous aller là-bas. La nouvelle équipe est déjà, euh, une partie est déjà à Niamey. On était dimanche avec le responsable d'équipe ici à Maradi qui nous a confirmé que ils seront cantonnés à Niamey. Donc euh, ça c'est un vide qu'il va falloir chercher à, combler. Mais déjà par rapport à certaines spécialités, la chirurgie par exemple, on sait qu'on avait déjà des médecins spécialistes qui sont là, mais aussi il ne faut pas négliger l'apport de l'université qui nous amène euh, jusqu'à 6 ou 7 spécialistes, même si avec deux fois des petits remous, on n'a pas toujours euh, ce qu'on voulait, mais quand même, euh, eux aussi, ils nous comblent un vide vraiment important. Et nous pensons que ça va euh, de temps en temps, petit à petit, euh, la situation est en train de s'améliorer. Il y a quelques soucis par rapport à certaines spécialités, notamment la radio, le laboratoire, euh, là, on a encore euh, très peu d'agents et nous avons encore de besoins, mais là, c'est un problème pratiquement Conseil national. Toutes les, toutes les régions euh, sont confrontées à ça. Et même à Niamey, il n'y a pas, a pas assez. Et ce qu'on peut redéployer, je pense que le ministre a essayé, surtout en pensant au milieu rural, parce que aujourd'hui, rien qu'avant-hier, au sortir du Conseil national de santé, il y a la répartition des ressources humaines qui disait 76% en milieu urbain, 24% en milieu rural. Et vous voyez, on a le contraire en population. Plus de 76% de la population qui est rurale et euh, les 24% en urbain. Il faut savoir inverser la tendance pour pouvoir en tout cas euh, trouver le juste milieu. Mais ça, je disais que c'est pas quelque chose seulement du ministère de la Santé, c'est tous les ministères. C'est pas une solution magique que le ministère va trouver lui seul. Je pense que c'est des, parler, c'est des négociations, c'est des réflexions qui sont lancées et tout le monde peut contribuer, euh, peut amener sa contribution. Docteur, pour parler de médecins spécialistes, à maladie, on en a combien aujourd'hui. Quand je dis au centre mère enfant, on a sept gynécologues. Tous les gynécologues sont des spécialistes. Et j'ai parlé au, niveau du CHR, on a euh, jusqu'à trois médecins euh, chirurgiens qui sont euh, qui sont là. Il y a les universitaires, on a deux chirurgiens qui sont là, et il y a un autre chirurgien qui est au niveau du centre mère enfant, qui est aussi de l'université. Donc ce sont principalement, et j'étais parlé des trois internes qui sont au niveau du CHR tous sont des spécialistes. Et en pédiatrie, vous en avez euh, En pédiatrie, nous avons encore trois. Il y a un, pédiatre néonat euh, au centre mère-enfant et il y a deux au niveau de CHR de, de Maradi. Docteur, nous savons que certains, hein, ceux qui sont à Niamey, surtout des médecins spécialistes, ne veulent pas venir ici. Qu'est-ce que cela peut apporter comme conséquence je pas eu vent de ceux qui ne sont pas, parce que si tu me demandes qui a refusé, je ne peux pas te dire. Donc ça, vraiment, je sais que ceux qu'on a amenés, ils sont venus, ceux qui sont venus, merci. Et nous pensons qu'ils vont contribuer, nous, à ceux qui nous concernent, à améliorer. Mais ceux qui ne sont pas venus, je ne peux pas parler à leur place. Ça à de répondre pourquoi ils ne veulent pas venir. Et comment est-ce qu'il faut faire Parce que je ne peux pas aussi dire voilà la solution, c'est au ministère et à ceux qui sont là pour réfléchir, pour trouver les voies et les moyens pour euh, les faire euh, venir si tel est le cas. Dr Kalaidi, directeur régional de la santé publique de Maradi, au micro de Mohamed Maman. Dans la région de Tilaberi, le redéploiement, des médecins spécialistes est une réalité, affirme le secrétaire général du bureau provisoire du SMEF, section de Tilaberi. Au total, ils sont huit médecin spécialiste en poste dans la ville de Tilaberi. Pour plus de détails, je vous propose de suivre Dr Idi Sani, secrétaire général du bureau provisoire du syndicat des médecins spécialistes SMEF section Tilaberi. Il répond aux questions de notre correspondant à Tilaberi, Abdoulaye Mamoudou. Euh, monsieur le secrétaire général, le ministère de la Santé a promis d'envoyer des spécialistes euh, dans toutes les régions Qu'en est-il de la région de Tulaveri Par rapport au dire du ministre, il faut dire que ça commence à être honoré, puisqu'on a réussi actuellement au niveau du centre mère enfant de Tulaveri trois gynécologues obstétriciens. Au total, vous êtes combien à Tilaberi Comme médecin spécialiste au niveau de Tilaberi, on est au nombre de huit actuellement. Cinq gynécologues obstétriciens, deux hommes et une femme, donc euh, une médecin interniste qui est au niveau de l'HD, deux pédiatres au niveau donc toujours de centre mère-enfant de Tilaberi. Vous êtes euh, tous euh, euh, en poste au niveau du centre de la mère et de l'enfant de Tilaberi. Et qu'en est-il des autres centres de santé, notamment les districts sanitaires de la région, notamment Filengue, Tilaberi, Kolo et À ma connaissance, les spécialistes sont au niveau de Tilaberi-Ville. C'est-à-dire au niveau des départements, il n'y en a pas de spécialistes. Alors, s'il y a des choses, on envoie au niveau donc de la, de la ville de Tilaberi. Et au niveau de Tilaberi, au niveau de l'HD, on a une médecin interniste comme spécialiste. Sinon, le reste, c'est au niveau donc du centre nard enfant de Tilaberi. Quel impact cet état de fait peut avoir euh, sur la santé des populations le manque de ces spécialistes au niveau des districts sanitaires Pas grand impact. Sinon, l'idéal serait que au niveau même de de la région, au niveau même, j'allais dire, de la ville de Tilaberi, qu'il y ait un nombre suffisant dans presque tous les domaines. Mais encore faudrait-il que, au niveau de l'HD, que ça soit transformé en hôpital régional, par exemple, ou en, je sais pas, un CHR. Parce que c'est au niveau des CHR qu'on peut trouver presque tous les domaines de spécialité et qu'on peut affecter tous les spécialistes. Pour le moment, donc, au niveau du centre mère enfant, on est nanti avec euh, trois, euh, cinq gynécologues et deux pédiatres. Monsieur le secrétaire général, euh, votre syndicat, le SMES, e vient de décréter un mot d'ordre de, grève de cinq jours. Qu'en est-il de la région de Tilaberi C'est un, mot d'ordre qui est suivi, j'allais dire, dans la région de Tilaberi. Mais c'est un mot d'ordre avec service minimum. Et c'est suivi et c'est respecté pour le service minimum. Et quel peut être l'impact de cette euh, grève Alors, c'est attirer l'attention, une fois encore, comme l'a dit dans notre préavis de grève, attirer l'attention du gouvernement pour qu'il prenne en compte euh, vraiment nos revendications qui du reste sont euh, justifiées parce qu'on ne peut pas être spécialiste et avoir le même traitement que un hein, médecin généraliste. Imaginez cinq ans d'études après votre doctorat ou quatre ans d'études et on vous fait le même traitement c'est pas normal. Et huit spécialistes euh, au niveau de toute une région, qu'en pensez-vous Bon, euh, je dirais pas que c'est suffisant. En fait, qu'est-ce qui fait la problématique de la région de Tilaberi C'est qu'un grand nombre de cette population des services se trouve de l'autre côté, donc ne font pas le trajet pour venir à Tilaberi-Ville. Il y a Niamey qui est à côté. Si vous prenez le département de Kolo, dans sa grande majorité, les gens ne quittent pas Kolo pour passer par Niamey et venir euh, à, à se faire soigner. Une grande partie donc de Saï, la même chose. Elle ne peut pas dépasser Niamey et venir à Telabéry. Tout comme de l'autre côté, Filingue, je dirais pour le moment, vu cette façon de le découpage qui fait en sorte, par exemple, qu'une grande partie de la région de Telabéry se trouve de l'autre côté, je dirais que c'est satisfaisant pour le moment. Je lance un appel aux autorités, une fois encore, comme l'a fait notre syndicat, pour qu'elle prenne en compte nos revendications, qui du reste sont justifiées. C'est pas de, gaieté de cœur qu'un médecin spécialiste parte en grève. C'est pas de gaieté de cœur. De toute façon, cette population des services, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants. Du reste, on est conscient de ça. Mais que le gouvernement aussi s'assume, soit conscient qu'on est là pour travailler et qu'on veut juste un minimum pour faire notre travail. Propos recueillis par Abdoulaye Mamoudou, notre correspondant à Tilaberi, destination Agadez, une région considérée comme l'une des régions les plus reculées du Niger. Agadez dispose au total de 10 médecins spécialistes en dehors euh, des hôpitaux miniers Arlit et Somaïr et qui sont tous répartis dans la commune d'Agadez. La grève de cinq jours pour déclencher, la grève de cinq jours, pardon, déclenchée par leur syndicat, je du syndicat national des médecins spécialistes est observé avec service minimum. Notre correspondant Moussa Maman s'est entretenu avec euh, le pédiatre euh, Maman Sani au Centre Mère et enfant d'Agadez et secrétaire général du syndicat de médecins spécialistes du Niger, section d'Agadez. Voici ce qui découle de leur conversation. Euh, ici, au niveau de la région d'Agadez, euh, hormis les hôpitaux euh, miniers, c'est-à-dire la Somaïe et la Cominac, donc ceux qui sont à la fonction publique, nous avons 10 médecins spécialistes ici au niveau de la région d'Agadez. Donc parmi ces 10 médecins spécialistes, nous avons 5 gynécologues, nous avons 2 médecins chirurgiens et nous avons un, pédiatre à ma personne, nous avons un ophtalmologiste et nous avons un médecin interniste. Ils sont répartis comment Au niveau du centre hospitalier régional, il y a 4 médecins spécialistes, 2 chirurgiens, un ophtalmologiste et un médecin interniste au niveau du CHR. Et ici, au niveau du centre de santé mère-enfant, nous avons cinq gynécologues et un pédiatre. À travers euh, cette répartition-là, quels sont vos constats Bon, le constat pour le moment, je vais dire, en matière de spécialistes, c'est vrai que nous n'avons pas toutes les spécialités. Mais aussi, il ne faut pas négliger un aspect qui est là, ce que par rapport à l'affectation, si vous voulez, comme vous l'avez évoqué tantôt, ça c'est un rôle régalien de l'État. Nous, les syndicats, nous avons tout le temps, de tout temps, euh, dit que ça, ça relève du pouvoir de l'État d'affecter qui il veut là où il veut. Donc, euh, nous, à notre niveau ici, si je prends le centre de santé mère-enfant, je pense qu'en matière de gynécologie, il y a quand même suffisamment de médecins. C'est vrai qu'en pédiatrie, je suis le seul pédiatre. Euh, ça aurait été qu'il y ait deux personnes, ces deux pédiatres, ce serait plus important, plus intéressant. Maintenant, par rapport aux autres spécialités, comme je disais tantôt, ça, ça relève vraiment de la, du pouvoir régalien de l'État d'affecter les médecins là où il faut, là où il a besoin. Si vraiment le besoin c'est font Santé, c'est à l'État de faire euh, cette affectation. Selon vous, quelles sont les conséquences euh, de manque de médecins spécialistes dans des régions Bon, dans tous les cas, dans toutes les régions, on ne peut pas dire que suffisamment le Niger est, bien couvert en médecins spécialistes. Il y aura toujours d'autres spécialités qui vont manquer. Ça, c'est tout à fait normal au vu de l'offre qu'il y a également aussi. Il ne faut pas négliger l'offre aussi. Il n'y a pas, c'est pas toutes les spécialités où au Niger on dispose assez de médecins spécialistes pour les envoyer au niveau des centres régionaux. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc les centres régionaux ne sont pas forcément habilités dans certains cas à acquérir, à avoir un certain nombre de, spécialistes bien définis. Si je prends par exemple le neurochirurgien, donc il n'y a pas assez de matériel ou même des, spécialités chirurgicales qui sont pointues telles que la traumato et autres. Donc c'est qu'il n'est que de, de, chirurgie générale qui prennent avec leur courage, qui prennent toutes les urgences qui leur viennent et les autres elles réfèrent. Mais ce que je peux dire, c'est que globalement quand même il y a un effort qui a été fait, même par rapport du côté du médecins. Beaucoup de médecins sont partis se spécialiser pour venir effectivement offrir ce soin de qualité dont je parlais tantôt aux populations. Donc il serait intéressant que l'État prenne ça en compte pour régler cette question, euh, pour régler définitivement la question du médecin spécialiste, pour que toute la population du Niger, aussi reculée qu'elle soit, bénéficie de soins de qualité là où elles sont, pas besoin de faire des évacuations, soit sur Niamey ou bien de faire des évacuations à l'étranger qui coûtent énormément cher à nos contribuables. Mais est-ce que vous avez du matériel nécessaire qui vont vous faciliter votre travail euh, c'est vrai qu'au niveau de toutes les structures, même à Agadez, c'est pratiquement le même constat. Les médecins spécialistes hein, dans toutes les régions du Niger et même dans les grandes villes comme Niamey ou Zender, on ne peut pas dire qu'on a suffisamment de matériel. Vraiment, on se débrouille avec le moyen qu'on a pour offrir ces soins de qualité, comme je disais tantôt. Donc, il serait que, important que l'État fasse un effort aussi sur le plan équipement. Donc, qu'il équipe les structures régionales pour que vraiment les spécialistes, une fois installés, trouvent vraiment les moyens de, de, faire correctement son travail euh, sous tous les domaines que ce soit. On parle de médecins spécialistes. Euh, vous ne pensez pas que être euh, dans une grève de 5 jours ne peut pas mettre la vie de, la population en danger, surtout vous êtes rare, le médecin spécialiste. Une grève, euh, effectivement, de 5 jours peut mettre, mais comme je vous ai dit, peut mettre la vie en danger, de certaines personnes en danger. Mais ce n'est pas une grève euh, irréfléchie, c'est une grève avec service minimum. Donc, ça, toutes les urgences sont prises en compte. Mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose aussi. Nous, nous réclamons un droit dont le gouvernement lui-même a reconnu que c'est une injustice. Alors, pourquoi le gouvernement ne veut pas réparer cette injustice pour que ces populations rentrent dans leurs droits de leur côté. C'est un droit aussi à la santé. Toutes les populations du Niger ont droit à la santé. Je pense que quelque part, ces populations-là doivent se, dire pourquoi l'État ne veut pas qu'ils rentrent aussi dans leurs droits. Nous, c'est un droit à nous de gréver, c'est un droit pour nous de gréver, c'est un droit de gréver. Donc, euh, si on ne grève pas, comment vous voulez qu'on obtienne euh, cette euh, réparation des justices dont on a évoqué, évoqué tantôt yeux, merci. Je vous en prie, merci. Propos recueillis par notre correspondant à Agadez, Moussa Maman. Je l'annonçais dans les titres, l'actualité c'est aussi le FESPACO. Euh, le Niger sera représenté à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO euh, qui se tiendra du 25 euh, au 4 mars 2017 à Ouagadougou. Au total, 88 œuvres, toutes catégories confondues, ont été sélectionnées pour la compétition officielle. En ce qui concerne Niger, cinq films ont été retenus dont trois pour la compétition pour la catégorie documentaire et série télévisuelle. Il s'agit du long métrage Zinaria de Ramatou Keita, L'arbre sans fruit de Aïcha Maki et Des loups de Suleiman, Suleiman Maman. Justement, parlant de cette série, nous nous sommes entretenus avec le réalisateur de Des loups, Suleiman Maman lors de l'avant-première de ce film qui a eu lieu le 3 décembre 2016. On l'écoute. Quand le scénario a été écrit et, amendé, on me l'a remis. Moi, je suis rentré dans une phase de préparation. Et cette phase m'a permis de recruter les différents techniciens qui vont travailler dessus. Déjà en amont, il y a eu le recrutement des comédiens à partir d'un casting qui a été fait au niveau d'Alternative. Et à partir de là, moi, je fais un calendrier de travail. Et c'est vrai, je me suis trompé parce que j'avais prévu de le faire en deux mois. Mais ça a duré quatre mois finalement parce que j'avais perdu de vue le fait que il y a une partie traduction. Le texte, il faut le traduire pendant la préparation du tournage. Ça, j'avais un peu perdu de vue ça. Moi, je pense que euh, tourner 52 euh, épisodes en quatre mois, c'est vraiment une prouesse parce que par rapport à la disponibilité des comédiens. Ça a été la chose la plus pénible pour nous. La disponibilité des comédiens nous a fait, nous a causé beaucoup de problèmes parce que c'est des comédiens souvent qui sont fonctionnaires, qui ont d'autres occupations, qui ne les mettent pas à 100% à notre disposition. Donc il y a des moments où il y a des comédiens, j'ai dû transférer leur, leur tournage à plus tard parce qu'ils sont à Gaïa, au Nigeria. Donc il a fallu que qu'on décale le plan de travail pour qu'on puisse le faire dans le temps. Et pourquoi avoir choisi des, comédiens qui étaient si loin, qui n'étaient pas aussi disponibles Est-ce que c'est parce que euh, ces comédiens, fallait nécessairement ces comédiens ou c'est parce que vous n'avez pas eu d'autres qui avaient ces capacités de, jouer le rôle Vous savez, lors d'un casting, on vous demande euh, votre disponibilité. On te choisit, en te dit, écoute, nous, on te choisit, voilà le rôle que tu vas jouer mais on veut savoir ta disponibilité. Ils disent tous on est disponible à 100%. Mais quand vous commencez à tourner, vous voyez que c'est pas vrai quoi. Il y en a qui, te disent je suis disponible, qui sont pas disponibles. Mais comme la comédienne principale, elle, elle a dit qu'elle était disponible. Elle a été disponible de bout Et ça, ça, ça vous a un peu perturbé dans votre travail Oui, ça perturbe parce que vous vous rendez compte, quand tout le monde est là, il manque un comédien, cette scène, elle n'est pas jouable. Donc on met tous les techniciens en place, on met tous les autres comédiens en place, il y a un qui manque, ça nous cause des problèmes. Donc on est obligé de reporter plus tard pour le tournage. Et ce film a mobilisé au total combien de personnes Sans risque de me tromper, moi je crois que techniciens, et administration, et comédiens, pas moins de 300 personnes. Ouais, c'est énorme parce qu'il y a des scènes où il y a des des figurants, une trentaine, une quarantaine. Vous voyez, quand on tourne dans un, dans un lycée, par exemple, on a au moins 40 élèves dans la classe. Donc il y a il y, a beaucoup, eu beaucoup de comédiens sur ce tournage. Et ça, pour une telle série télé, 300, environ 300 personnes, c'est énorme ou bien c'est juste, c'est normal Moi, je pense que c'est énorme parce que euh, souvent dans l'écriture, on fait attention à, à ces choses-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le produit final que vous avez, ce film pourra atteindre vos objectifs Oui, moi je pense que techniquement, on a, on a fait de, belles choses parce qu'on avait un matériel de pointe qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a eu même une formation avant le tournage par rapport au matériel. Matériel technique de tournage et de montage, je pense que c'est vraiment, techniquement, c'est à la hauteur. Maintenant, dans le jeu mise en scène, je pense aussi on avait un metteur en scène qui était sur le terrain et qui a vraiment très bien travaillé. Je pense que vraiment moi, je pense que l'objectif est atteint. Et c'est qui le metteur en scène C'est Ashuru Wajé. Il est connu sur la scène nationale. C'est la première fois que vous réalisez une série Non, je suis à ma quatrième série. J'ai fait une série Soueba, j'ai fait la série Aminti, j'ai fait la série Fils à Papa. Suleiman, merci. Merci beaucoup. Maman Suleiman, réalisateur euh, de la série euh, Des loups. Hors compétition, nous avons 34 films parmi lesquels Cerveau noir d'Abdoulaye Djengarei Meiga et Le Pain de Amadou Djengarei qui prétendent aux prix spéciaux. Cerveau noir, je le disais, de Djengarei Meiga était donc euh, retenu pour euh, euh, le prix pour la compétition Or, pour leur compétition, nous avons rencontré ce grand cinéaste euh, afin euh, d'avoir son avis sur euh, cette compétition, sur le FESPACO 2017 et sur les sentiments après être, après que le cerveau noir ait été retenu pour cette compétition. On l'écoute. Moi, en réalité, j'ai été, j'ai été inscrit pour la compétition officielle. Donc, j'ai fourni tout ce qu'ils m'ont demandé et j'attendais, et j'attendais et je croyais que j'allais être euh, parmi la, la sélection officielle. Bon, à ma grande surprise, on me dit que votre film euh, Cerveau Noir n'est pas sélectionné. Donc j'ai attendu un peu longtemps. Quelqu'un m'a appelé au téléphone pour me dire que mon film est retenu pour euh, euh, l'autre sélection, c'est-à-dire que l'information, va passer à l'information. Bon, moi j'ai réfléchi longtemps, j'ai demandé à mes collaborateurs qui sont avec moi, mes acteurs surtout, qui travaillent toujours avec moi, Baïdari et Rachid et d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire Parce que moi, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas un petit cinéaste qu'on va reculer derrière. Je suis très connu à Ouagadougou. C'est vrai que ça fait des années que je passe film depuis ans je ne suis jamais passé en sélection. En 2011, Philippe Saoudogo m'a dit euh, Envoie-nous ton film, nous allons le, mettre en sélection. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé, Philippe lui-même s'est adressé à moi me dire nous avons enlevé votre film en compétition. J'ai dit quelles sont les raisons. Il refuse de me dire les raisons. Mais ce qui est curieux, à la fin de ce FESPACO là en 2011, le jeune qui s'occupe de la programmation des films m'a dit en personne, un jeune noir que j'ai bien vu qui était venu vraiment en souriant, il m'a dit, tonton, nous avons eu tort de ne pas tenir ton film, votre film en compétition parce que votre film nous a apporté beaucoup d'argent. J'ai dit, bon, tant pis, ça c'est fini. En 2000, j'ai amené Vendredi Noir, ça c'était en 2000 parce que j'ai mis 10 ans pour faire un film. Il faut le reconnaître. Quand j'ai amené du Noir, ici déjà, j'ai eu des problèmes. il et quand je suis allé là-bas, j'ai déjà, raconté ce qui m'est arrivé là-bas. Alors, j'arrive pour comprendre. Pour comprendre, vous avez participé au FESPACO combien de fois À chaque fois qu'il y a le FESPACO, j'ai participé au moins, j'ai envoyé chaque fois quand j'ai fait un film, parce qu'à tous les deux ans, j'ai fait des films. Et à tous les deux ans, j'envoie des films au FESPACO. Et je m'y attendais à ça. Mais les chances que j'ai, si le film a passé dans les mêmes salles que les films en compétition, les gens vont le regarder. Ceux qui vont l'apprécier vont l'apprécier. Ceux qui acceptent de me donner des prix, qui voient la qualité de films peut me donner des prix. C'est ça l'avantage. On a toutes les chances euh, d'être euh, honoré. Moi, je ne pars pas. Hein. Moi, je ne suis pas invité, je ne pars pas. Parce que je n'ai pas d'argent pour aller. Euh, notre institution, la, la cinématographique aussi, bon, on n'a pas d'argent. Maintenant, je crois qu'ils sont en pleine difficulté. Je reste ici. Ceux qui ont aiment ils vont nous représenter. Le Niger, c'est pour nous tous. C'est les films nigériens, c'est pour tous les Nigériens, les cinéastes. Alors, ça veut dire que c'est une fois de plus avec un sentiment de déception que le film n'est pas retenu. L'un de vos films, euh, vous êtes un grand cinéaste, Jindari Meiga. C'est avec beaucoup de déception que, que euh, vous ressentez la chose. Je m'attendais à ça. Je sais que c'est les gens que j'ai rencontrés au festival euh, de Carthage il y a deux, trois mois, en octobre passé. Le directeur du festival festival de Ouagadougou était là-bas, Soma, euh, Azuma Soma, son adjoint était là, Nana. on s'est bien parlé, je ai fait part de, mon film qui va passer, je les ai dit que je vais participer, ils ont accepté avec sourire et tout, mais bon, je savais aussi que je ne serais pas retenu, ça je le sais. Pourquoi vous le savez Je le savais parce que bon, il y a des gens qui sont là pour mettre le bateau dans le roue, c'est tout, Récemment, là, quand j'étais à Carthage, on est allé rendre visite un de nos amis qui est malade, un collègue à nous, il s'appelle Taïb Luchi, on tous là-bas, tous les cinéastes qui étaient à Carthage sont partis. Et puis c'est là-bas que Taeb, qui me connaît très bien, avec qui j'ai vécu un peu des choses euh, à Paris, on a fait notre apprentissage ensemble, au film du village. Et puis Taeb parlait de moi, de comment j'ai fait le cinéma, comment je me faire mes films. Et puis moi j'ai commencé à parler et puis tout de suite un journaliste sénégalais me dit mais pourquoi tous vos films portent le mot noir Comme je vous l'ai posé la dernière fois vous avez donc raconté cette histoire avec Aimé Césaire. Exactement, j'ai dit, c'est une recommandation d'Aimé Césaire en 1970, quand il y a eu l'ouverture de la, la, première conférence de la francophonie qui s'est tenue à Niamey ici. Et puis tout de suite, la femme de l'OIF qui était là-bas, euh, Suède, Madame Suède, qui s'occupe du département cinéma, s'est intéressée à ce que j'ai dit et elle a noté tous mes films les années et tout. Et quand il est à Paris, elle m'a appelé au téléphone. Ensuite, elle m'a envoyé un mail pour me dire que envoie-moi tous les titres de tes films et les synopsis. Alors au total, il y en a combien J'ai fait huit longs métrages. L'année de, de réalisation, les synopsis, les titres et tout j'ai envoyé et je lui ai bel et bien dit que les films sont tous à ma possession en bon état. Elle m'a dit, je vais faire quelque chose pour toi. Mais il y a deux jours, elle m'a appelé. Ce qu'elle m'a dit avant et ce qu'elle m'a dit avant-hier, ça fait deux choses différentes. Je me suis dit tout de suite qu'il y a eu des gens qui sont venus le décourager de ce que je fais. Parce que les Français disent que Djingare Maïga, il travaille seul, il ne veut pas associer les cinéastes français et tout. Donc on ne va pas l'aider et on ne va pas aller vers lui. Alors pourquoi, pourquoi vous n'associez pas les avec quoi je vais associer un ciel? en France Moi, je vais faire un dossier, je vais l'envoyer en France, je vais attendre un an pour travailler, comme font les autres. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, présentement, je suis en train de finir un film. C'est quoi le titre Je ne vais pas le dire, mais je, suis en train de le faire, je suis en train de le préparer sérieusement. Dans un mois, je vous invite, vous allez voir comment j'ai fini mon tournage. Et ça parle encore, euh, le mot noir revient Bien sûr, ça s'appelle euh, le ciel noir, un coin du ciel noir. Un coin du ciel noir. Et ça parle de quoi et Mega, avant de finir cet entretien, vous pourriez quand même nous dire que c'est vrai que c'est une déception que ce film ne soit pas euh, retenu pour la compétition, mais pour l'information. Euh, est-ce que vous pensez que quelque part, euh, ce film-là va apporter, ou, du moins les gens vont quand même euh, avoir l'occasion, l'opportunité de découvrir ce, film, ce grand film Cerveau Noir. Vous, vous avez le film, ça vous a plu. Bon, moi je suis sûr que tout Africain qui voit ce film-là va pouvoir dire que voilà un film africain, correct et honnête ça c'est sûr. Le sujet est bien fait, le travail là-dedans, réalisation c'est parfait, la caméra est parfaite, donc euh, il n'y a pas de problème sur ce sujet, pas de souci. Mais m'attendez à quelque chose, pas du tout. Je m'attends à rien du tout. Vous comprenez Moi je vous dis une chose, hein, une anecdote. Moi quand j'étais gosse, quand j'étais gosse, je n'ai pas de chance. Je n'ai jamais eu la chance. Au village, on était tout petits, à peu près 10 ans, ou même pas, pas 10 ans, 10 ans j'étais déjà à l'école. On partait, les enfants partaient ensemble à la pêche. On était nombreux, tous les enfants du village, pendant la saison où l'eau se retire du fleuve, c'était le moment où on faisait ça, et tous les enfants gagnent du poisson. Tous gagnent, sauf moi. Et on le fait chaque matin. Et quand on partait, nos mamans nous donnaient de, du donou, ils nous donnaient des petits trucs comme on va manger. Moi, je partais avec les autres enfants, on était plus de 10, 15, mais il y a toujours quelqu'un qui a deux poissons, trois poissons pour venir au village, mais moi, je n'ai jamais eu. Jamais. C'est que la chance de réussir, je n'ai pas. Si jamais s'il faut aller faire de la tombola pour gagner, moi je préfère rester, ne pas aller parce que je gagne jamais. J'ai pas la chance de gagner, mais quand je travaille, je suis honoré par le bon Dieu. C'est ça qui me plaît. J'ai toujours la bénédiction du bon Dieu. Mais la chance est là. Moi je compte pas là-dessus. Je n'ai jamais gagné. Alors peut-être que euh, cette expression, ce mot noir qui revient, c'est vrai, c'est peut-être sur euh, sous l'impulsion d'Émile Césaire, mais quelque part peut-être dans votre esprit, dans votre subconscient, le mot noir a quand même euh, votre vie, ce que vous venez de m'expliquer, a quand même déteint et peut-être c'est pour cela que vous êtes en parfaite en, harmonie avec ce mot noir. <laughs> Et eh bien, m'a dit ça, moi j'ai pris ça en compte. Et puis finalement, quand j'ai commencé à tourner mon premier long métrage, l'étonnant, je me suis tout de suite rappelé de ce qu'il m'a dit et j'ai dit bon, je vais l'honorer. Et ensuite, bon, je suis resté là-dessus parce que je me suis dit bon, attends, pourquoi ne pas rester sur le mot noir et faire mes films, euh, la différence des films entre les autres Parce que dès que vous allez entendre un film avec l'objectif noir, vous allez dire ah, c'est Niger, Djingare, Maïga. Il y a un cinéaste qui a fait un film qui s'appelle Lumière Noire, Med Hondo. Tout le monde pensait que c'est moi qui a fait le film. Et lui-même, il m'a écrit en riant, il me disait, vraiment, je, j'ai me dit que c'est toi qui as le film ou c'est moi qui a le film. J'ai dit, c'est toi. Il me dit, vraiment, je suis rentré dans tes, dans tes affaires sans se rendre compte. Oui. Alors, Menga, merci infiniment. Ah ouais, je vous remercie aussi d'être là et puis à bientôt. <laughs> Merci. Vous venez d'entendre ce grand cinéaste Djungare Mega qui a fait et qui continue de faire les beaux temps du cinéma nigérien. C'est ici que prend fin cette euh, émission. Fidèles auditeurs, merci infiniment de rester à l'écoute du studio Kalangu. Euh, prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.